Ladies and gentlemen, sur l'émission Tous à la Fada, sur la rubrique L'artiste s'exprime, nous allons recevoir l'artiste Fenobi Yes, I. Yo, yo. Begese, yo emino hankanga fondi bejandi. Hey, one I'm a beje, no beje, same in a harandi diga hey en fait là tu, tu as nécessité euh, quelque chose le démon yeah. parce que je me rappelle bien évidemment tes couplets de Yarignan ça m'a renvoyé en 2001 ah. tu vas non yo bonjour non, ça va on ne sait même pas saluer on va hein. se saluer Béré c'est ça tu sais en fait quand je suis avec toi je me sens déjà en sécurité donc du coup je suis déjà en enjaillé c'est toujours un grand plaisir pour moi de recevoir cette légende vivante hey, eh, Fonzo yo l'histoire du hip-hop made Niger pour permettre aux jeunes qui kiffent cette euh, émission d'avoir une idée de comment les choses ont commencé. On va résumer. Tout a commencé véritablement en quelle année euh, ben, comme tu as eu à le dire, euh, les premiers rappeurs ont commencé à écrire dans les années 93-94. Au Niger, on a connu un groupe qui s'appelait Massacreur Possi, dont un élément était Claude Panou, qui est actuellement dans Waswong. Euh, tu c'était le premier groupe de rap, uh-huh. parce que eux, ils étaient à l'école française. Donc c'était beaucoup plus facile pour eux d'être en contact de la mode. Et après le Massacreur Possi, il y a eu aussi le, le Todd One, uh-huh. Momo et son frère qui étaient revenus de la Belgique avec aussi euh, le rap. Mhm. Euh, mais malgré qu'ils étaient venus avec, il y avait aussi ceux qui étaient là au Niger mhm. qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer comme ça se doit. mais à force de voir les autres, euh, ben voilà, on a aussi tous osé. Mais le véritable rap rap nigérien, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était le premier concert où c'était des flots locaux, des flots en Peul, des flots en Hausa, des flots en Germain. Mhm. C'était avec euh, en stage, j'étais membre éclair du groupe Wasika. C'était le 20 décembre 1996. 20 décembre 1996 Ouais, 20 décembre 1996. L'un des premiers concerts au Bled. Hein. Ouais, au Bled. Après 98, euh, le premier album à vie du jour de la Calcana. La est produit par la radio-télévision Ténéré. Et ensuite, euh, Gaskia a vu le jour euh, en quelle année euh, Bon, euh, en ce déjà, Kaidan Gaskia, je crois que déjà on existait en 98. Parce que moi, j'étais en solo, plutôt était dans un groupe. on avait eu l'idée de faire un, un, réseau de groupes de rap. Bien sûr. C'est de là que Kaidan Gaskia est né avec beaucoup de rappeurs. Super. presque à un moment donné, Feto et toute la clique a été partie de l'autre côté et tu as continué le combat. Ouais, j'ai continué avec le, le KG2. après, il n'y a plus de kg a Plus le 2 Maintenant, c'est l'homme que l'on nomme phénoménal. Phénoménal, phénoménal. C'est de ce homme qu'on va parler sous cette émission, mesdames et messieurs, le phénix. René donc de ses cendres, phénix, phénom. Pourquoi phénix, phénom comme tu l'as dit, le phénix est de ses cendres. Ah, bien sûr, la voilà. devant les deux. Ah. Bien sûr, donc c'est pour ça en fait. Yeah qu'il faut aussi être un peu fou. Alors Félix nous. cette carrière solo, tu comptes continuer seul ou bien un peu, tu vas te... Euh, cette carrière, en fait, c'est une carrière solo, mais c'est beaucoup une carrière beaucoup plus mature que je veux. Okay. Euh, je suis en train d'entreprendre ici, mature euh, musicalement, mature euh, côté lyrics, et mature pour donner aussi ma façon de contribuer au développement ou bien à à la restructuration s'il le faut, de la musique que nous sommes en train de faire ici pour pouvoir compétir dans l'arène de, de, la musique un peu euh, Alors, Béro, on n'a pas trop de temps, je serai obligé de te couper de temps en temps. Béro, voilà. ces changements-là, brusques, toute ma vie, moi je t'ai vu rapper et tout ça. Et là, je vois que tu rentres dans un autre monde. Ah, registre Foran, Fourkan, Registre Rodin. Ah, Alors explique-moi un peu ce changement. C'est quoi ce genre musical que tu as euh, euh, Le changement, en fait, tu sais, ah. moi j'ai toujours aimé rapper et puis euh, trouver des personnes qui chantent, qui font de la mélodie à côté. Tout à fait, tout à vu fait. Vu qu'à chaque fois, le comportement ne correspond pas au principe de l'homme, mhm. j'ai décidé aussi de d'oser chanter. Donc, euh, j'ose chanter. Mais tu t'en sors bien, ouais, ouais, Quand tu étais avec les chanteurs, tu ne t'es jamais une fois dit que. Non, non j'ai jamais pensé à ça. Réussir, hein. Non, je n'ai jamais pensé à eh, ça. je n'ai jamais pensé à ça parce que, je me dis, ouais, parce que je me suis dit, non, la chanson c'est pour les autres et moi, je fais du flow et je fais du marketing artistique aussi. Donc, euh, la chanson c'est pour les autres, mais aujourd'hui, je fais du all-in-one. Je chante, je rappe, je compose, je, je, je, je, je. Mais l'instant est solennel. Yes. Le Niger te suit. Les artistes nigériens ils te suivent. la jeunesse nigérienne kiffe cette émission à travers 47 radios partenaires. Le monde entier suit cette rubrique à travers le site du studio Kalango. Un mot pour faire avancer le hip-hop made in Niger parce que tu es une référence. Ouais, le mot, moi, je me dis que c'est la culture de la positivité. C'est-à-dire, euh, parce que ce que je vois, en fait, il y a peut-être d'autres qui ne connaissent pas la concurrence alors que cette concurrence se doit d'être franche c'est pas parce que moi je suis là et que Z lui il arrive, je pense que Z va prendre ma place. Non. Je fais ce que j'ai à faire, Z fait ce qu'il a à faire, Dondi fait ce qu'il a à faire. C'est en ce temps qu'on peut parler de développement de quelque chose dans un pays. Ça peut marcher pour toi et marcher pour toi. Et pour tout le monde. Tu n'as pas besoin, pour briller, tu n'as pas besoin de tendre d'autres. Il n'y a qu'au Niger où quand il y a quelqu'un qui commence, les autres pensent que c'est un ennemi, il faut l'abattre. C'est ça qu'il faut enlever de vos esprits et se mettre au travail. Il n'y a que le travail qui fait la différence. Tout à fait. Ladies and gentlemen. Hey.